bonjour à toutes et à tous salam alaikum, bienvenue au matin de Vibe TV dañu dalal c'est un danseur un beatmaker un acteur un youtubeur est-ce que je me trompe. non je ne me trompe pas. Ah, ok donc c'est ça donc nous ngi dalal Bilal Bilal nous ngi lay nous, York, téléspectateurs bon salam alaikum. Je suis di bëgg ñëpp di nuyu ku ci nekk ci remercier remercie l'invitation et ça me fait plaisir vraiment. ok voilà quoi du bëggee gars ok man quand mot bëggoon euh, mm. yow depuis tu commencé danse. en fait je peux dire que je suis né avec la danse. tu es né avec la danse. ok lan mooy indi déclic bi quoi moment nga tu commencé à xaaral ma lancé carrément. le moment que j'ai abandonné mes études. ok à cause de la, danse. danse. ok bon y y a d'autres yo xamné kené voilà mo taxone ma arrêter sama jang mhm. mais je me suis focalisé sur. sur danse puis moo motivé nga baye jang bi pour poursuivre sa passion. est-ce qu'on peut dire euh, loolu ce métier là légui ou bien. ouais je peux dire que un métier là légui mhm. et voilà depuis depuis bama ma xalé xale. Mhm. bëggoon naa ko mais dama ko doon fooye. mais bama démé ba xamné ne affaire yi dafa dem ba ëpp ma doole donc je pouvais pas carrément abandonné. Euh, kan moo la inspiré ci wàllum danse quoi ñan ñooy ses références. je je dirais pas Michael Jackson. Mhm. mais ci ci ñoo xam que ne gën nañ tax ma bëgg a fecc Kaalu de Carlos. la bokk. Kaalu de il t'a beaucoup influencé. Mhm. je fais dama doon xool spectacle yu mu doon defee c'était incroyable et tout après voilà c'est la dem ci Alex. ok léegi ñu wax ci sa yeneen casquettes yi comme li ma quoi, waxee si intro Genre euh, beatmaking on voit que tu chantes, tu fais d'autres choses quoi. Ouais, je touche tout. Ok, donc il euh, n'y a pas de frontières quoi. Il n'y a, pas de le... frontières. Ben, Je ne mhm. me suis pas vocalisé sur juste la danse. Mhm. Je fais la danse, je suis beatmaker, mm -hmm. tout. Okay. Comédie, tout. une chaîne YouTube, tu es youtubeur ou bien mm, Ouais, ouais, Tijana, c'est une chaîne YouTube il n'y a, pas, il y a pas longtemps. Après, on a regardé pour nous. Pourquoi on a une relation avec Doudou Comment ça s'est fait Justement, voilà, et donc, parce que je peux dire que il a fait beaucoup de beaucoup de trucs sur moi. Mhm. voilà et tey nini, ni mon mon man man mon mënuma mënuma ok tu vois. Mhm. nit y a des gens qui pensent que man ak Doudou danoo mhm. Dès que bu voyez mon ñu boole man ak doudou. ok et c'est un frère pour moi un grand frère. C'est côté pour toujours. donc euh, moi personnellement dama def une remarque boo que sur scène on sent que euh, benen nit ngay nek quoi est-ce que mën nga expliquer ça? genre on te sent possédé genre da sur un ci niveau. c'est différent parce que ni ngay gisee nit ki. Mhm. tey mu sur scène À par rapport à bu toogee gàllem. Mhm. sur scène tu dois donner tout. Tu tu dois pas te montrer que les gens que yow yaay bilal bi tok sen un Bilal sur scène c'est pas la même chose c'est pas la même chose ok en fait mënuma yéeg sur scène fais le nonchalant et tout je donne tout. tu te donnes à 200 pour ça 200 ça c'est peu. <laughs> <laughs> c'est peu. ok léegi dañuy dem ci deuxième partie émission bi. Mhm. donc euh, on va passer aux questions. j'ai eu à poser euh, sur Instagram voir gars mhm. poser des questions il y a eu euh, plus beaucoup de questions mais j'en ai retenu que Niar. donc première question bi c'est quoi ta relation avec rappeurs

ça fait plaisir ça hein. fait plaisir vraiment. ok nice merci. donc nous euh, sommes euh, la troisième et dernière partie. Dans dañ lay situation quoi. Mhm. genre de jeu euh, tu préfères genre tu préfères avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou tu préfères aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Mhm. moi je préfère quand même. deuxième bimoué. tu préfères être pauvre en amour mais riche en argent ou être pauvre en argent mais riche en amour tu peux être pauvre en argent et riche en amour. ok donc c'est ça donc nous ñëw ci actualité on voit que nous avons des cours de danse mën nga ci revenir. Hmm, waaw je fais je donne des cours de danse. là. Hmm, là. Euh, virage. virage les jours. et jours jours mercredi. Mm-hmm. samedi. et mercredi samedi c'est 11h à 14h. Mm-hmm. mercredi bu la euh, midi à 14h.

a toute la team tout ça. waaw toute la team waaw gars yi black ñoom. waaw mais li nga bind sa maillot bi la si Biré xaw ma. si waaw ah, <laughs> <laughs> définition bi définition. définition Chiribiré Chiribiré genre c'est c'est benn mot boo xam ne c'est funny tu peux le a peux l'utiliser tout moment. c'est sa mot la quoi sa tey jii mën naa la wax ngeen ma booy fii doom may sa maillot bi moo bëggee wax maa bañ mën naa wax mais mais Chiribiré. boobu <laughs> boobu kaw du ma ci commentaire. waaw gis nga. ok derrière. merci beaucoup mec. jaajëf Merci. thanks. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées, ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi, ça marche.